L'esclavage moderne, c'est sa relation belle-mère, belle-fille. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la liberté. Moi, j'ajoute l'égalité. On dit que la liberté et l'égalité sont des valeurs D'ailleurs, c'est des droits fondamentaux. C'est-à-dire, si tu n'es pas libre et qu'il n'y a pas d'égalité, tu es réduit en esclavage. Donc voilà, c'est l'esclavage moderne comme ça. Que ce soit dans le milieu rural ou bien au milieu urbain. Quand vous prenez un exemple d'une femme, elle, elle vit avec sa, sa belle-maman. Mais tout ce qu'on lui fait cible là, c'est pas de son propre gré. Contrainte psychologique et même morale. Parce qu'il y a des fois, tu es là assis, le mari avec ta femme. Quand ta maman te dit, cette femme là, elle ne veut pas ce que je veux, donc il faut la chasser. Ça s'est fait.